la grande coalition Natangay Askanoui, présidée par le président Cheikh Alassane Sen, a donc à travers ma personne et en ma qualité de mandataire national euh, procédé cet après-midi au dépôt de sa candidature aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Euh, comme vous le savez donc, après la collecte des signatures pour le parrainage, mais également après le dépôt de la caution à la caisse de consignation et de dépôt, l'acte que nous venons de poser cet après-midi euh, entre dans l'expression normale euh, du processus et de la procédure même qui gouverne euh, l'organisation et la participation à une élection, de quelque nature que ce soit. Donc nous sortons de ce dépôt très motivés et plus qu'optimistes quant à notre participation aux prochaines joutes électorales. Euh, donc jusqu'à présent, vous devinez que nous n'avons aucune raison de douter de notre participation. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier le directeur de la Direction générale des élections qui n'a ménagé aucun effort pour mettre dans de très bonnes conditions avec cette très grande innovation de taille qui a consisté à procéder à un tirage au sort pour le passage des déposants, ce qui nous a valu vraiment moins de ici par rapport à ce qu'on avait connu. Nous avons ci turu grande coalition naataange askan wi bi nga xam président Cheikh Alassane Sène moo ko jiite ma ñëwoon fi tey ànd ak différents responsables coalition bi yëpp ñu ñëwoon indi suñu candidature bi nga xam ne mooy mandargaal suñu bokk bi ñu war a bokk ci élection yi ñu jëm ci mois de juillet donc bi ñu ñëwee def suñu collecte parrainage ba pare ba yóbbu suñu caution

kon ba léegi nii amuñu benn raison di inquiété wu ñu ngi jàpp ne que danañu bokk ci élection yi bu soobee yàlla ñu ngi leen di remercier jërëjëf